Oui, Tu sais, en fait, euh, le problème que eux, maman je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a un truc qui, je sais pas, qui ne me dit pas. Il y a, un truc il y a un truc, et je sens ça, même pour tu, je sens ses manières, je ne sais pas quoi. Il y a un truc qu'il ne veut pas me dire, je ne sais pas, comment. Hmm. parce que Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi ni muy waxee noonu. bëtu gaynde bi waaw. bëtu mais c'était ça c'était au fait le problème Aneka dafa am lu mu bëggoon wax léegi mu ne nañ fay téléphone yi. pour mu mën a nekk à l'aise parce que les enregistrements et tout ça ci laa fay sama téléphone mm-hmm. nag.